vous comprends. Vous savez, euh, lorsqu'on fait un, point de presse et que qu'on annonce les idées, parfois nous nous laissons la liberté à chacun parce que ouais, suivant ses sensibilités comme il le ressent. Nous sommes habitués, chacun prend un peu de, ce qui va. Il est très difficile pour un sujet aussi délicat parfois de vouloir en deux minutes donner une position et l'expliquer en même temps. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, la plateforme d'action et d'échange de Saint-Louis, de par ses actions quotidiennes, a toujours essayé de réfléchir avec les Saint-Louis, mais aussi pour qu'on prenne des positions qui puissent refléter la véritable volonté des Saint-Louisiens. Mais nous ne nous sommes pas toujours arrêtés là parce que vous avez vu toutes les actions que nous avons toujours menées pour parfois soulager la souffrance des Saint-Louisiens ou même être à leur côté. Le problème du stade Maître Babacar Sey est un problème qui dépasse l'aspect sportif. Il y a l'aspect sociologique, l'aspect culturel, parce qu'en définitive, ce stade est le, symbole, est un symbole pour Saint-Louis. C'est un patrimoine pour Saint-Louis que nous partageons avec tout le département de Saint-Louis, pas uniquement avec la commune de Saint-Louis. Donc même les autres départements ont leur mot à dire par rapport à cette avenir parce qu'en fait, depuis toujours, le stade M. Babakassé était un stade régional. Et maintenant, on est parti de la région vers le département donc, en principe, ce stade devait revenir au département. Et je vous dis que le, président du, conseil départemental a posé la question, a demandé la demande, a fait la demande jusqu'à présent auprès du ministère du Sport et ça n'a pas connu suite. Si ça n'a pas connu suite et que ce soit maintenant le maire de Saint-Louis qui puisse parler du stade, Maître Babacar ça signifie ipso facto que dans une certaine mesure, que le président du conseil départemental a été dessaisi. Et c'est désolant, parce que Stade Babacar n'était pas uniquement pour la commune de Saint-Louis, mais c'était pour tout le département, et ce serait fâcheux pour le, pour le département de Saint-Louis dans la ou dans tous les autres départements, n'est-ce pas Les stades qui étaient des stades régionaux sont devenus patrimoine du département. Maintenant, la question qui se pose et qui est importante, délocaliser ou ne pas délocaliser. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait pu nous dire, par rapport à tout ce qui s'est passé, quel est. Parce que d'une part, comme je l'ai dit, il y avait le ministère depuis 2016 qui avait fait une maquette avec les 11 milliards. Et jusqu'à présent, on ne nous explique pas un seul document contredisant ce qui avait été fait pour dire que, écoutez, que le ministère s'était trompé. Jusqu'à présent, ce n'est pas. Sinon, on nous annonce uniquement que ce sont des personnes bon des saint lusiens bon comme s'il y avait des saint lusiens mal hmm, pour dire qu'ils sont venus le voir sans nous dire le pourquoi. Le président Macky Sall veut nous faire un stade omnisport. Le lieu est choisi et c'est ailleurs. Le stade Mawadouad, on en fait un palais de sport. Mais pourquoi toucher à Mouette-Babacar Sey Nos équipes n'ont pas la possibilité même d'aller ailleurs. Parce que ici, c'est au centre de la ville. Et jusqu'à présent, nous sommes nés à Saint-Louis, il n'y a jamais eu de problème. Donc à partir de ce moment, qu'on nous dise autre chose. Mais nous pensons que ce qu'on veut du stade Maître Babacar le centre d'affaires, ceux qui sont derrière ce centre d'affaires, ce qu'on appelle ces personnes ressources. En définitive, je pense que les personnes ressources, nous tous, c'est du tout le monde des de ressources. C'est la parole des saint qui est la parole de la personne ressource. Malheureusement, ceci n'a pas été fait. On nous dit qu'on va mettre un, centre d'affaires. Quel centre d'affaires Mais un centre d'affaires est un centre incubateur. Lorsque nous, nous n'avons plus, nous n'avons pas d'usine, nous n'avons pas d'entreprise. Hein? À partir de ce moment, c'est pourquoi faire. La pêche est à terre le tourisme est à terre. Nous n'avons plus d'économie. Qu'est-ce qu'on va promouvoir C'est pourquoi nous allons continuer pour mobiliser les Saint-Louisiens pour que ce qui puissent s'exprimer et si les gens pensent qu'il ne faut pas délocaliser, qu'on les pousse à respecter le choix des Saint-Louisiens. Mais nous sommes sceptiques parce que ce qui vient de se passer depuis quelques jours nous pose problème dans la mesure où des saint ont fait une presque magnifique, ne touche pas à mon stade. Lorsque d'autres se sont venus, ils jetaient en de l'huile noire. Ça signifie qu'eux, ils sont pour la délocalisation. Mais ce n'est pas ça. Nous, nous l'avons fait dans la, paix. Nous, hein. Suivant les traditions séduisiennes, c'est ce qu'ils auraient dû faire. La réponse était ça. Nous allons commencer d'abord samedi par l'Assemblée générale. Par l'Assemblée générale. Et vous nous permettez, puisque ce sont en définitive les Indigènes que nous, que nous, nous leur demandons leur avis, ils seront habilités à nous dire la stratégie à adopter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en définitive, ce qui sera proposé, parce que nous, nous y pensons, c'est en définitive signer une large pétition des saint d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs, une large pétition. Et une fois que la position des saint louis sera de ne pas délocaliser, et si on persiste, s'il faut faire une marche, nous marcherons. Et si on doit tirer sur nos cadavres, on les tirera. Parce que Saint-Louis vaut tous les sacrifices. Hmm? Voilà. tu asalaamaaleykum tey jii plateforme bi ngeen xam ne léegi suñu xarit suñu naataango suñu coordonnateur ndax mooy sunu coordonnateur Ousmane Wade wax na ka ci lu tax mu judd ak liñ fi jëf yëpp te ci gàttal dara taxul mu jóg mu di Saint-Louis doore Saint-Louis yem ci Saint-Louis problème bu ci am ñu wax ci problème bu am tamit ñu jëf ci te boobu ba léegi loolu nekk kon nag bu fekkee ne lii ñëw na ñuy wax tey li ay di jàmbat mooy affaire stade de maître Babacar Seye kon mënuñu ci toog bañ ci wax bañ ci jëf te jëf ci tamit romb na moo di monsieur le maire ñëpp dañ ko dégg mu wax ne dafa am ay doomu ndar yoo xam ne yu am solo ndax loolu lañ ko mën tuddee personne ressource mooy ñu am solo ñu am baat ñoo xam ne dañ ko seet si nekk stade bii daal nan ko fi jëlee ñu yóbbu ko faneen muy stade maître Babacar Seye ñun nag bi ñu xalaatee ne lu mel noonu li ma waroon def mooy dox ko woo Saint-Louisien yi ñu waxtaan ci ndax stade Babacar Seye yamul rekk ci football stade maître Babacar dafa bokk ci ci patrimoine ci gànjaru Ndar ci gànjaru Sénégal ci gànjaru Afrique ñu tuddee ko nag koo xam ne tey jii. di doomu ndar boo xam ne macha allah nekkoon maître de Saint-Louis di maître Babacar Seye yàlloo ko lool tey jii ñu ne dañ ko fay jël te boo ko fay jël da koy reyaat beneen rey kon bala nga fay jëlee war nga ko jëlee ci anam yu leer ak ci lu wér.